nous allons laisser la parole à Mansour qui va nous expliquer un peu le programme et cette collaboration avec Andy Veil. Mansour, tafadol mashkoura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, euh, chers frères de l'association Andy Donc aujourd'hui, c'est une journée euh, de sortie, de visite pour euh, l'association Sakuyu. Donc, alhamdulillah, on a plusieurs puits à visiter euh, concernant votre association aujourd'hui, euh, on a trois puits à, lancer, Inch'Allah. Euh, ce qui fait au total cette année, et vous avez financé en collaboration toujours avec l'association SACU 7 puits et une vingtaine de puits depuis le début. Donc, Alhamdulillah Rabbil c'est une belle collaboration uniquement pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on peut dire On peut juste espérer que cette collaboration va durer le plus longtemps possible, Inch'Allah, pour euh, euh, pour le bien des, populations, des gens qui en ont besoin, comme vous pouvez le voir là où on est. Euh, c'est un village qui, se trouve un peu au milieu de nulle part, où les femmes ont, du mal à trouver de l'eau, qui font des kilomètres pour aller chercher de l'eau, euh, vous comprenez un peu le terrain. Il y, a un de vos membres ou une partie de vos membres aussi euh, ont déjà visité le terrain, donc ils connaissent un peu la situation euh, localement. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter vos, dons, d'accepter vos, vos œuvres. On espère que cette association va aussi grandir le plus loin possible, uniquement pour œuvrer mes œuvres humanitaires. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter pour vous, d'accepter pour nous aussi euh, tout ce qu'on fait et d'ici bas et pour le Yom al-Qiyam qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous retrouve tous. Donc Ousmane pour la collaboration euh, avec euh, Andy Veil, on a ça ce qu'on peut dire Inch'Allah. alhamdulillah, donc, comme vous l'avez entendu, c'est une belle collaboration car c'est une vingtaine depuis. Donc, cela montre alhamdulillah que les associations ne sont pas en concurrence, mais voilà, ils doivent s'entraider comme Allah nous, incite dans le Coran. Donc ça prouve que les associations peuvent collaborer ensemble pour le bien des populations. Et voilà, donc c'est une vingtaine de puits. Donc nous incitons toute, euh, toute, association à collaborer entre eux dans des projets comme les puits et d'autres projets. Que Hamd, ça permettra aux habitants et à ces populations de vivre dans les meilleures conditions. Depuis donc Drifa avance très bien. Nous sommes donc actuellement à 3 mètres. Nous espérons, bien par la grâce d'Allah et par les efforts des, des puisatiers, d'avoir de l'eau. Comme vous pouvez le voir, moi il fait bon. Vous pouvez le sentir, on dira, et il fait un peu chaud. Donc nous allons retrouver euh, les habitants qui sont sur l'arbre pour pouvoir discuter. Donc ils vont vous dire euh, leurs difficultés. Ils vont aussi prier pour vous, Ali Alhamd, pour cette grande chose qui est le pluie. Donc nous invite à, vous, euh, je vous invite donc à nous suivre pour discuter avec les, les habitants. aussi, vraiment, def ñaan bu ëpp ñu ñaanal leen lu baax dañ leen ko defal euh, li tax ma wax loolu mooy jigéen ñi yëpp ñu ngi fii du ñoo bay ma fen naam am nañu ndox forage mais ndoxu forage dafa wóorul te boo seetee ci dëkk souvent forage day panne te bu paanee bu defee de ay jours rek nit ñi dañu sonn et non seulement nit ñi sax dañoo soxla de l'eau douce c'est la ndox boo xam ne potable douce yooyu nit ñi dañ ko gën a soxla aussi te boo ko seetee fii yëpp amuñu teen eh, mën nañu wax ne teen bi teen bi ngeen indi ñëw na ci waxtoom ñëw na fiñ ko buggee eh, yéen ñi nga yéen ñi nga xam ne yéen a ko dox ba mu ñëw fii ak ñi ko dox yëpp ñoo xam li ngeen bëgg yal na leen ko mën a may bon ne ngeen français yi tubaab yi ñoo ko fi may tubaab yi aussi peut-être xëy na lii mën nañu wax ne mun na bokk ci action yu bari yoo xam ne dañ koy def fii ci dëkk yi te action bi. vraiment gën lañ ko rafetlu bu baax a baax ah ñoo xam yàlla li leen euh, loo xam li ñu bëgg yàlla na leen yàlla may yàlla mun na ko yàlla na leen ko yàlla defal li ñu mën a wax daal kontaan nañu vraiment am nañu satisfaction bu baax. coono bi ngeen di dox pour ñun yal na leen ko yàlla fay ngeen weer wérle ak seen njaboot amoon nañu coono jafe-jafe ndox amoon nañ ko yàgg nañu ko am nag. sonnoon nañ fi lool ñun ñu fi jiitu ndax ndox ndax la jigéen bu amul ndox du mën a def dara yàgg nañoo soxla lii te yaakaar wu ñoon fuñ ko jële fiñ doon roote sori na teen ba nekk nale foofu la jigéen ñi di dem te duñu am day jeex buñ toogee ba li ñëw fii nag ci suñ kanam sant nañ leen gërëm nañ leen suñ gërëm daal amul ab gërëm nañ leen sant nañ leen ak ñi ko financé ak yéen yëpp ndax yéen nañu ko jot su ngeen ci japp doon mën na ñu mën na ñàkk ñu kon nak jere ngeen jef ñu ngi gërëm ñep di sante ñep li dañ ko yàggoon soxla bu yag te amuñu ko won ndax forage bi ñew na fi yag na fi trop waye forage bi dafa dem dem ba ñep xam forage bi ni muy def nit ñi dafa graw ni muy def seri non la def nit ñi day xoss ci yaram nit di xoss ñep te forage bi sax dayul parfois day pan te duñu am bene fenen fuñu mëna jëlé ndox dañuy wër ba son comme yalla indi lañu li nak dañuy gëreum yalla di gëreum ñi ko fi indi di leen gëreum yeen itam ñeen ñi fi ñëw ba ba ñun ak ak fa mu joggé ba fi ñu ngi leen di gëreum di leen sant ba sa kanamu yalla yalla xam yalla mo am limu mu defal nit yalla mo am pay xam nga ñun amuñu pay payum yalla mo gël lépp yalla leen yalla fay te jappalé leen ba ngeen mëna continuer seen liggéey ñu leen di gërëm bu baax a baax di ñaan yàlla nag teen bi ñu muurloo ko ak suñu njaboot yëpp ak geneen ku fi ñëw itam fekke ko ba ñu muñ ko muurloo yàlla def ci jàmm wàcc fi yiwam ñu naan ko ci jàmm yàlla ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax yàlla leen yàlla delloo fu ngeen joge bu baax te mu gën a yokk war sag bi gën a yokk liggéey bi jërë ngeen jëf